li waral suma déclaration fils suma cœur de me demander à ce que Ousmane Sonko ñu ko de résistance nationale bi nga je nous lañu ak mom li nga firndeel moy yalla bi dara tewut bëggul nit kuy war bëggul nit kuy sos bëggul nit kuy tumalaté parce que mom moi fi ne ñun opposition bi nga xamante ne man si laa bokk ak samay morom muy ñoom sa Seck ñoom maître Madické Niang ñoom Malick Gakou et consort les et mu ne ñun dañuy dil ak le pouvoir en place maanaam tey Sonko jàpp na boppam ne moo gën nit ñi juddu moo dàq jàng nit ñi moo ëpp nit ñi xam-xam moo gën a doon nit ñi sénégalais or que réew mi suñu réew la ñun ba ñuy politique. mom ken xamul won fa la nek du am ab parti politique juddu barku dembo njaay taxaw bëgg insulter la conscience des sénégalais et sénégalaises ma demandé ñu dakk ko si front bi nga xamantene ne lañu bok nit ko xamantene ne na fi weddi ay waxam ne kenn musu ko enregistré musul def audio kenn musu ko recevoir tay ñu génné audio bu mengok ay jëfam loolu wax deug yalla gatcha la ci ñi nga xamantene ne ñoo ak mom gatcha la si domou Casamance bi mu mom délégué général à la protection sociale et à la solidarité nationale la date de leur rencontre importe peu le plus important c'est que cette audience a eu bel et bien lieu malheureusement il a maladroitement tenté pendant plusieurs jours de refuter cette vérité que de mensonges et de contes vérités confondu par un noyau. Ousmane Sonko, mal à l'aise, a cherché à se laver à grande eau à travers un instrument vidéo posté sur sa page Facebook. Peine perdue. Sa séance de rattrapage, de rattrapage traduit tout simplement sa honte, sa malhonnêteté et sa mauvaise foi. L'accusateur qui reprochait à l'opposition de faire un deal avec le régime en place a été démasqué, vilipendé et traîné dans la boue. Allah n'aime pas les traîtres. C'est l'arroseur arrosé. Aujourd'hui, les Sénégalais ont découvert son vrai visage. C'est un manipulateur, un homme versatile qui a trahi sa lignée et ses origines. Il n'a plus le droit de se réclamer de la Casamance. Un vrai Casacé ne trahit pas ne ma pas et n'accuse pas sans fondement d'honnête citoyen Il a déshonoré tous les fils de la région du Sud.